jeudi 14 septembre 2023. Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé à mes côtés Ali Moukela Ousseini dit Seno. La technique est assurée par Amina Hassan et Fanta Chamsou et à l'édition. Bonjour Seno, comment vas-tu Je vais bien et toi, ça va ça va très bien. Alors, quel est le menu du jour Dans l'émission le, dans Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui, plusieurs rubriques sont au menu pour agrémenter la journée de nos fidèles auditeurs et auditrices scotchés tout ceci dans une ambiance musicale et nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Nous recevons comme invité ce matin El Mokhtar Adamou, plus connu sous les sobriquets de El Polo Loco. Il est artiste, comédien, et Maurice one-man show. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre notre flash info avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Seno, comment ça va Ça va bien. Alors, pour ce matin, la région de Maradi a connu au cours de cette première décade du mois de septembre 2023 des activités pluvio-orageuses importantes. Selon le chargé de la statistique à la, direction régionale de l'agriculture, il a été enregistré au cours de cette période des déclarations des ennemis de culture comme les citadelles sur le mil et le sorgho, les insectes floricoles dans les communes de Mayaï, Gazawa et la ville de Maradi. Dans l'ensemble de la région, ce sont 6126 hectares qui ont été infestés et les traitements ont couvert 5708 hectares pour ce qui est de la chenille mineuse. Toujours dans la région de Maradi, le gouverneur Maman Issoufou a effectué une visite surprise sur le site orifère fermé de Kongago dans Issa. Cette visite a fait suite aux informations selon lesquelles des orpailleurs continuent clandestinement à exploiter ce site pourtant officiellement fermé par le Conseil des ministres du 8 novembre 2021 suite à un effondrement intervenu le 7 novembre 2021 ayant causé une dizaine de morts. Dans un communiqué ce jour 14 euh, septembre, la France a confirmé la libération hier de son ressortissant au Niger, Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger. Le chef d'entreprise installé au Niger depuis 18 ans a été interpellé le 8 septembre à Niamey par les forces de sécurité nigériennes en pleine tension entre Niamey et Paris. Merci infiniment Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé, nous recevons El Mokhtar Adamou, alias El Pololoko. Je rappelle qu'il est artiste, comédien et humoriste. Bonjour, El Pololoko. Euh, bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Avec vous, nous allons parler de votre carrière d'humoriste. Mais avant de donner la parole à El Polo Loco, c'est nous écoutons d'abord la première musique de notre sélection musicale d'aujourd'hui. Une façon de permettre à nos auditeurs de bien s'installer, c'est parti avec les titres Sabou de l'artiste Fiaxi.

no CC. Jimmy, me ah, dog is in the nose. Yo no boko, ma que no bagi Hay full no pori. Pas de comme se oui, à l'état civil, euh, il est Sénat Fiacre. Son nom euh, de scène donne une idée euh, du caractère électrique de l'artiste Fiaxi qui est le diminutif de fiacre et Sy. Comédien, musicien, maniant divers instruments de musique, slammer, formateur en création artistique, Fiaxi touche presque à tout. Fiaxi s'est laissé aller à sa passion dès son jeune âge. À Niamey, déjà au collège et au lycée, il participait à des concours à des et jouait dans des pièces de théâtre. Mais c'est véritablement à partir de 2015 que Fiaxi a décidé de se lancer dans la musique. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Sabou de l'artiste Fiaxi. Euh, nous osons espérer que vous êtes bien installés. À présent, on se tourne vers notre invité du jour. Il s'agit de El Polo Loco. Alors, El Polo Loco, euh, avant d'attaquer le sujet de notre euh, échange, est-ce que tu peux faire un petit bonjour humoristique à tous ceux qui nous, tous ceux qui nous écoutent actuellement Alors, euh, comme annoncé, moi, mon nom, c'est El Polo Miguel <laughs> Alors, euh, pour toutes les jeunes filles qui écoutent, je suis le garçon à louer. Je suis le seul Nigérien qui parle espagnol. Donc, c'est-à-dire que euh, en espagnol, mon nom veut tout simplement dire Sergio Ramos, tu vois. Euh, moi, je suis devenu la célébrité incontestée d'un quartier. Et je vous parle du quartier euh, quand tu viens, mon frère, il te faut une permission avant de rentrer. Dans mon quartier, le soleil, avant d'apparaître, il demande la permission. Quand tu arrives dans mon quartier, que tu es sale, il faut que tu t'arrêtes parce que sinon, ça déclenche tout de suite l'alarme. Ouais, je, je, viens du quartier de Niamey le plus propre, le plus chic. Je viens de Bukoti. <laughs> Voilà, chers cher <laughs> auditeurs, c'était la El Loco, une façon de vous dire bonjour humoristiquement parlant. Alors, on va aller avec euh, nos questions pour commencer. Euh, pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert votre passion pour le stand-up et l'humour d'une manière générale alors, euh, moi, pour dire tout de suite, euh, avant même que je ne sois humoriste, j'étais euh, artiste, chanteur, j'étais rappeur. après, vous savez, dans la vie, on dit quand tu es dans un métier et que ça va pas, hmm. mieux vaut changer et essayer autre chose. Donc, tout de suite, avec mes gars, on a décidé de nous mettre sur hum, les vidéos. on faisait des petits, des petits sketchs. la troupe, à l'époque, s'appelait DKN. DKN. Donc, voilà, DKN, ça veut dire quoi la définition Daya Kacheni. Daria Kacheni. Oui, avec euh, Bad, la vie c'est Ma Avec lui, euh, la monnaie euh, et toute la clique, on était, on était quatre à l'époque. Donc moi, partant de là, déjà, j'avais cette faculté-là à faire facilement rire les gens. Mhm. je crois que partant, à partir de cet instant-là, j'ai commencé à développer la passion et l'envie de faire du stand-up. c'est de là que c'est parti. ma première scène de stand-up, je me rappelle, c'était le 3 février 2019. 2019 à Niamey Effervescence MJC Gare du Siekou organisé par euh, la boîte Arca Comedy Club. Voilà. Alors, quels sont les humoristes qui vous ont inspiré ou influencé dans votre carrière ah ouais, euh, moi j'ai <laughs> plutôt euh, été inspiré par, ils ne sont pas trop nombreux, par plutôt Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, le, je sais pas si vous français C'est un, on dit maroco-français ou je sais pas, un truc comme ça. <laughs> <laughs> Euh, il y a Gad, ok, il y a Thomas Ndijol que je kiffe très bien, il y a euh, Dieudonné Mbalam Balam qui est le roi de, de l'humour euh, et stand-up humour noir. Il y a aussi quelques Africains que je suivais. Je hmm. je peux pas ne pas citer, Jean-Michel Cancan, je suivais aussi Jean-Michel Cancan. Le Camerounais voilà. Voilà, Jean-Michel Cancan, euh, Maman. Voilà, je suivais aussi euh, Maman à un spectacle que j'ai tout suivi. OK. Euh, voilà. Alors, comment décrivez-vous votre style d'humour en, une phrase Alors, moi j'ai un style de stand-up mhm. précis. Mais ben, quand, quand, tu es sur un spectacle où je suis mhm. et que quand tu n'es pas trop concentré, c'est que c'est chaud. Je te laisse te dire. <laughs> <laughs> Ok, d'accord. Alors, cher euh, chers auditeurs, avant de continuer nos échanges avec El Polo Loco, faisons encore une fois de plus une petite pause musicale avec ce titre Boss, chanté par l'artiste Barakina en featuring avec DJ Master On écoute. Yo DJ Master Shida Barakina Allah Boss, Boss, Boss, Boss, Boss, Boss ball. Boss make a chopper, a supper guy say da kai. Boss make a cha uba and bonza Yeah, Boss make a cha. Yeah. Boss make a cha. Yeah. Boss make a cha kana basu sunata sha. Yeah. Boss make a cha. Yeah. Boss make a cha. Yeah. Boss make a cha ba a make a chopper, a sabaga se da kai. Boss make a chaka na ba, so sunata sha. So oga su chang, so oga su chang, so oga su chang anadoro baku Yesha kidi yesha me daddy Meka chaba yesha me zai Ah ah, mbasha so me zami She de se de aga masha de zadi Ah ah, wando da ribiyar Riga da ribiyar Jaka da ribiyar Ko wata cikin ta miliyon biyar Boss, bobo boss Boss, bobo boss Boss, bobo boss Boss, bobo boss Boss, meka chaba asabaga se da kai Boss, meka cha uban a good Boss make a cha, yeah. Boss make a cha, yeah. Boss make a cha, kana bass sunata sha, yeah. Boss make a cha, yeah. Boss make a cha, yeah. Boss make a cha, ba a komi se da kai, yeah. Boss ke uta, yeah. Boss ke uta, yeah. Boss ba shi kama change, ya rige ya huce, yeah. Boss ya huce, wasatatashi wasatatashi munopusa munopusa escalation big boss sajala sajala boss baba boss Mohamed Dalgo m'arrête Mbawa boss, la ho ho na honey. Boss, Mbawa boss, le kisi mbaba baba. Boss, Mbawa boss, ba ba ba dili. Zoza balista. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien euh, le featuring entre Barakina Bawala avec euh, DJ Mastertaf. Ça a donné tout simplement Boss. Alors, retour au studio avec notre invité El Polo Loco. El Polo Loco, les sujets des sociétés sont souvent au cœur de l'humour contemporain. Y a-t-il des thèmes récurrents que vous abordez dans vos sketchs Oui, bien sûr, euh, bien sûr. <laughs> Euh, bah, par exemple, quand je pense à mon deuxième spectacle, mon mhm. deuxième spectacle s'appelle Bienvenue à Niamey. Bienvenue à euh, Niamey. Bienvenue à Niamey, c'est un spectacle où je fais la mise en scène, euh, la résidence de création à Lomé avec le célèbre humoriste togolais Valentin Vieira. j'ai fait deux mois de résidence de création. Hmm. donc, Bienvenue à Niamey, j'essaie de parler de la ville. Je, je rends hommage à la ville de Niamey, mais de manière humoristique. Donc tout ce que les gens ne peuvent pas dire, euh, nous on le dit à travers l'humour parce que on pense que euh, l'humoriste, lui, il peut parler. Mhm. L'humoriste les gens facilement les gens vont dire ah lui veut faire les gens mhm. donc nous on peut on, profite de ce canal là mhm. pour passer certains messages mais après à, part tout ça il y a aussi la cohésion sociale il y a des textes comme la paix il y a euh, il y a beaucoup de sujets que moi j'aborde dans, dans, dans, mes textes. C'est pas que juste des blagues. Mhm. C'est des spectacles écrits. Je suis contre les humoristes qui vont à gauche, à droite prendre les blagues sur le net. Non, non, non, je suis contre. Moi, je crée, je crée des spectacles. C'est pourquoi c'est rare tu me vois jouer sur des trucs. Quand tu me vois, c'est soit je suis en spectacle, ou bien que soit je suis sur une grosse production. C'est ça le truc. Ok. Bienvenue à c'est le titre ou bien c'est le nom de votre ouais, c'est le nom de mon. De Alors, un petit extrait de Bienvenue à Niamey. Euh, Ok, euh, ville de tranquillité. Niamey, ville de belles femmes. Niamey, <laughs> ville de la poussière. Euh, la coqueluche. Niamey, Niala, Niamey, Kazama. C'est seulement à Niamey, quand tu poses une question, on te répond par une autre question. Tu vois une personne, tu lui demandes l'heure, elle te répond, tu vas où Niamey, la seule ville au monde dans laquelle quand tu vas au guichet automatique retirer de l'argent, tu t'arrêtes quand te voir si la machine ne t'a pas volé. <laughs> Parce que je pense que j'étais une fois à la banque au guichet automatique. Le monsieur, il avait une veste, ok. Le gars, il va au gars, <laughs> il retire de l'argent et puis il compte. J'ai dit à ma femme, mais attends, il compte quoi C'est une machine ou bien il pense que lui, la machine a un gars qui s'appelle le machin ou je sais pas, tu vois, dans ma tête, j'ai dit, bon, Mais il faut vérifier. Il faut, non, non, attends, mais attends, attends, frère. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais c'est une machine, attends, c'est une machine, tu vois, c'est une machine. C'est instantané, je pense que c'est instantané, c'est que la machine, tu demandes, la machine te donne. Et du coup, ça t'a donné une, inspiration. pourquoi ils n'ont pas dit Gab, c'est une personne. <laughs> Elle, elle peut se perdre, mais la machine ne peut pas se perdre. Ou bien tu penses que la personne va le, truc va se perdre. Tu vois, il y a un truc que moi, je, pense que à Niamey, quand j'en ai parlé, même au Parlement du c'est un texte que j'ai fait. Mhm. Parce que quand tu vois, Niamey, euh, a évolué, Niamey a grandi, on a des échangeurs, on a, on a des immeubles. Mais quand tu vois les échangeurs avec la passerelle pour piétons, et que les gens <laughs> Ils préfèrent traverser le goudron que d'emprunter la passerelle. tu vois, c'est des trucs, tu peux pas te dire. C'est l'habitude. Donc moi, je dis que Niamey, on n'est pas prêt d'avoir des échangeurs et des passerelles, frère. tu vois, c'est... <laughs> Aïe, aïe. Euh, euh, alors, alors euh, comment préparez, vous hein, vos, vos sketchs One Man Show Avez-vous une méthode spécifique oui, euh, moi, qu'est-ce que je fais avant, avant, avant d'aller sur, sur, avant d'écrire des spectacles, je fais ce qu'on dit à euh, l'écriture, la hmm. préécriture du texte. J'écris toutes les idées qui me viennent, hmm. j'écris. Maintenant, en écrivant mon texte, tu vas voir, il y a des fois que peut-être je suis sur un sujet qui traite de l'homme. Hmm. quand tu traites un sujet euh, qui traite de l'homme, et naturellement, il y a une partie, une fenêtre qui s'ouvre sur la femme. Donc, du coup, je développe. ça me fait l'homme, la femme, tu vois. Après, je peux euh, être euh, en train d'écrire et être inspiré sur un autre thème mhm, mhm. que je vois qui peut aller avec mon spectacle. Je l'écris, c'est comme mhm. ça. Donc, quand j'ai tout, euh, tous les thèmes que je veux. Après, je regroupe les dj et puis je fais le décrasage du texte qui Hum, consiste à enlever les idées que tu n'aimes pas, et garder ce que tu veux, mhm. raccourcir, tu vois, et avoir euh, le sketch. Et après, je m'envole. À chaque fois, moi, tous les deux spectacles, le premier spectacle, Garçon à louer, mhm. qui, qui a fait le buzz, euh, tous mes spectacles, moi, j'ai fait une résidence de création parce mm. que je pense qu'il faut avoir un autre œil qui te hmm. dit tout de suite si le travail est bien fait, le travail n'est pas bien fait, que si euh, euh, il faut augmenter, tu as tout le temps, tu ne t'autosuffis, tu ne pas en fait. <laughs> Il faut toujours avoir quelqu'un qui puisse t'aider, il faut toujours avoir beaucoup de regards sur ton travail. <laughs> Hmm. Cela va tout de suite te permettre de te démarquer des autres qui préfèrent travailler seul. Hmm. Donc c'est pourquoi moi, euh, j'ai des gens ici, Hiro, Maman Hiro, Ablaziz, euh, ils sont nombreux, même mes frères humoristes. Je les renvoie un premier temps le texte, chacun me fait un retour. Et ah je mais vais, ça, c'est bien. je vais euh, voir mon metteur en scène qui est Valentin Viera Et je vais à Lomé, je fais ma résidence de création de deux mois, je reviens. Mhm. Mhm. Donc c'est Donc ça a toujours Mais c'est bien le fait de travailler en collaboration avec tes confrères humoristes qui sont à Niamey et aussi de, de l'extérieur, parce que beaucoup de personnes, je pense, n'osent pas faire ça. Oui, bon, après, après euh, ça. Vous n'avez pas peur quelque part qu'on vous pique euh, certaines idées Moi, par exemple, je suis enregistré au BNDA. Quand suis j'écris mon spectacle, tout de suite, je dépose. Super. Je l'enregistre. Moi, j'ai un dossier au BNDA. J'enregistre mon spectacle tout de suite. C'est-à-dire mhm. que moi, tu ne peux pas me piquer maintenant. Bon, après aussi, tu vois, euh, moi, c'est, on dit c'est tout à mon honneur, en fait, que quelqu'un veuille faire mon texte, en fait. Mm. Dans, le stand-up, c'est permis que tu prennes cinq minutes d'un spectacle de quelqu'un et tu dis, c'est telle personne, mm-hmm. et tu fais son mm-hmm. texte. Euh, après tu l'as respecté. Les gens euh, savent que c'est son texte. Mais après que tu fais hum, de la plagiat et que tu, n'annonces pas la mm-hmm. personne, ça c'est vraiment du vol. et je pense qu'il y a beaucoup d'idées, quoi, tu vois. Il y a, <laughs> pourquoi prendre les trucs de quelqu'un faire, quoi. Tu nous as parlé de, garçons à louer. Euh, aujourd'hui, on va beaucoup te, fatiguer parce que tu as un talent. Vraiment, moi, je te connais personnellement. J'ai l'habitude de regarder tes spectacles. Et J'ai l'habitude d'assister à tes spectacles. Mais là, ce c'est le studio Kalangu, c'est le Niger qui écoute euh, le studio. C'est le Niger sur Kalangu. L'émission, ça s'appelle le Niger sur Kalangu. Donc, il y a beaucoup euh, des auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui n'ont pas eu la chance de, participer à, tes, spectacles. Donc là, c'est peut-être une occasion. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait de Garçon à euh, une façon de faire découvrir cela à ceux qui nous écoutent actuellement? Garçon à louer. Ok, euh, laissez-moi déjà placer le truc garçon à louer. Garçon à louer, à la base, <laughs> j'étais là dans un coin parce que euh, nous, dans notre domaine, le titre, hmm. le titre du spectacle peut vendre le spectacle. Donc, euh, j'ai créé un truc, j'ai dit garçon à lui. Hmm. Donc, il faut faire un spectacle, garçon hmm. à lui les gens commençaient à m'appeler Toi, c'est quoi le truc Garçon à lui, là, ça veut dire quoi Surtout que même sur l'affiche, on me voit avec un balai, on me voit avec des assiettes, on me voit avec des, tu vois, euh, des marmites et tout et tout. Les gens disent C'est quoi le truc Un beau jour, une anecdote une dame m'appelle. Hmm. Bon, euh, les mineurs, faut pas que les mineurs écoutent. Une dame m'appelle, elle dit Toi, ton histoire de garçon à lui là, ça veut dire quoi Qu'est-ce que. Euh, quand on te loue, tu fais quoi J'ai dit tantille <laughs> <laughs> ça dépend de la personne qui veut louer. Elle dit non, non, garçon à louer. Ok, moi je suis tombé sur un truc, euh, affiche, il n'y a rien, on dit garçon à louer. Tu fais le ménage, oui, je vois ménage, balaye, tu fais tout et tout. Mhm. Après, tu fais quoi encore j'ai dit, Tanti, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse pour vous J'ai <laughs> dit, bon, là, là, moi, je me suis dit, il faut, il faut tout de suite, il faut tout de suite lui expliquer, il faut mhm. tout de suite lui expliquer. C'est là que je lui ai expliqué. Mais tu vois, les gens tout de suite, garçon, à lui, l'esprit Tu as créé une sorte de curiosité. je l'esprit, l'esprit, était euh, <laughs> tordu. Donc, un petit extrait de le garçon à louer. Hmm. Euh, j'adore en parler. C'est, c'est, tu vois. Moi, je viens de Bukoti, ok. Euh, ça fait pas longtemps. Euh, il y a une société euh, de parfums qui voulait faire la promotion d'un parfum. Hmm. ils avaient fait un panneau au quartier Plateau, d'accord. Sur le panneau, tu peux voir qu'il y a une fille qui gardait un parfum avec un joli sourire comme ça, d'accord. Et le même panneau, on a repris le même jour à Bukoti. <laughs> Quand nous, on s'est endormi, on s'est réveillé. Le lendemain, le parfum a disparu et la femme était nue. <laughs> non, attends, attends, attends. non, ah, ah, ah, le parfum qui est sur l'image Oui, oui, et puis la femme et tout sont disparus, tu vois. Oui, la femme était nue, tu vois. C'est pour dire que à Bukoti, on n'a pas besoin de, de personnes physiques. Nous, on voit. Là, <laughs> tu vois. après, il y a. Hum, c'est ça, il faut, il faut, il faut, il faut engoler. Moi, Bukoti, c'est comme. Tu, tu, Bukoti, je suis un commerçant et Bukoti, c'est ma boutique, c'est mon fonds de commerce. Mhm. J'ai ma boutique et mon fonds de commerce. Quand tu en parles, les gens, ils rigolent. Donc, euh, les gens pensent. Moi, je suis pas Donc, né à tu, Bukoti. Tu, voles, tu après, tu, tu, tu revends. Non, non, moi, en principe. En principe, euh, un, bon gars de Bukoti, je devais tous vous agresser, tous quels que vous êtes, je devais vous agresser. Mais quand vous m'avez donné l'opportunité de parler à la radio, je ne vais pas le faire. Je vais réfléchir. Après le spectacle, après, je vais vous agresser. Il n'y a pas de problème. Mhm. Donc, euh, je crois que c'est ça. Garçon à louer, c'est. C'est des blagues, tu vois. C'est des blagues. C'est des trucs où on parle du passé. On parle. Il y a mhm. beaucoup de beaucoup histoire. Par exemple, tu vois, j'ai parlé des booms payantes, j'ai parlé euh, euh, de, des jeunes, les rencontres, quand tu fais les rencontres, le classico, mhm. euh, j'ai parlé des préservatifs, tu vois, le gars qui vient à la pharmacie, personne ne veut aller à la pharmacie pour prendre des préservatifs, c'est compliqué, tu vois. Les jeunes ne veulent pas aller. Mais après, je comprends pas ce qu'il y a dans la tête des femmes. Vous dites au gars, allez à la pharmacie, acheter des préservatifs. Quand tu viens à la pharmacie, c'est mm. pas c'est pas préservatif le souci, mais tu vois, c'est l'attentif qui est au guichet. Tu peux pas parler pour demander préservatif. C'est compliqué, tu vois. Moi, j'ai fait ça 84 fois, j'ai pas pu parler. 85e fois, la Hein. Oui, me voit, elle dit, eh, toi, je t'ai remarqué, qu'est-ce que tu veux Je la regarde, je fais bonsoir. Elle dit ouvre ta bouche pour parler. Ah, moi j'avais vu un petit stylo et puis un bout de papier. Je prends, je mets préservatif, je pousse devant Tanti. Ah les femmes, vous là même. Est-ce qu'on ne va pas mettre vos bouches comme moyen de communication C'est tellement simple. Ah, tu veux des préservatifs J'ai dit Tanti, je vais perfelgante. le gant. Ah, ah, tu me donnes. El Pololoco, cher auditeur. Alors elle Pololoco, le euh, l'humour peut parfois être euh, controversé. Euh, avez-vous déjà eu à gérer euh, des critiques ou des réactions négatives à, votre travail Oui, euh, dans tout travail. Et moi, je pense que dans tout travail, cela arrive. Il y a des personnes qui, par moment, ils ne comprennent pas ce que tu fais, ils se donnent même pas la peine de mhm. vouloir comprendre. Tout de suite, ils vont aux critiques. Mhm. moi, je, je suis passé par beaucoup de choses. Je suis passé par beaucoup de choses. Il y a une dame qui dit à mon ancien manager à l'époque, lui, mhm. le connaît Ahmed, mhm. il dit à Ahmed, toi, toi, El Polo Loco, là, tu fais sa promo, tu fais sa promo. Le gars, il ne me fait pas rire, je l'ai déjà vu. Elle m'a vu à mes débuts, je ne peux pas payer 5000 pour le regarder. <laughs> Ahmed m'a dit, j'ai dit, ok, mm. laisse-la venir au spectacle. Ahmed lui a donné le ticket, euh, il lui a donné cinq tickets. Il dit, écoute, euh, invite tes amis, vous mm-hmm. venez, c'est de la part de El Polo Loco. D'accord, la dame était venue, frère. Le jour-là, la dame, elle a ri, elle a ri, elle a ri, elle a ri, elle a ri. Et tu vois, on est dans le hall de Radisson. Mhm. Elle me dit, ah, tu sais, j'ai dit à ton manager que tu ne faisais pas rire. Hein. Wallahi irharu. Tu vois <laughs> tu vois un peu le truc. Wallahi irharufa. Tu vois. Donc après, je pense que plus euh, le travail est fait, plus il y a il y a ces critiques-là. Et moi, je pense qu'il faut toujours prendre les critiques. Il faut toujours prendre en compte les critiques parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet d'avancer. Les critiques font de toi ce que tu es. Mhm. Toutes les personnes qui ont évolué dans leur domaine, toutes les personnes qui ont réussi, je pense que c'est des personnes qui ont tenu compte des critiques qu'on leur fait. Mhm. Si Kalangou ne reçoit pas des critiques, les gars, fermez. Mhm. Si vous, non, non, honnêtement, si vous ne recevez pas des critiques des autres radios, surtout des autres médias, fermés fermez. Parce que moi, euh, j'entends ce que vous faites. J'entends ce que vous faites et moi, je tiens personnellement à vous féliciter. C'est bien. Merci. Il faut prendre en compte les critiques. C'est très bon. Mhm. Une âme qui ne prend pas les critiques, je pense que cette personne-là est hypocrite envers elle-même. Ok, d'accord. Alors, euh, le coup il nous, il nous reste quelques secondes. Alors, avant de, te dire au revoir, est-ce qu'il y a des projets qui sont en perspective oui, euh, déjà pour, pour tous ceux qui écoutent, euh, euh, j'étais sur le Parlement du Rire en mai. ok Et que je crois que la diffusion de mon premier passage sur le Parlement du Rire, c'est demain. Mhm. Inch'Allah. Ah, demain Oui, je à crois. Quelle heure à 20h. 20h, 19h45. 19h45, 20h. Sur Canal, sur Canal Plus Pop. Sur Canal Plus Pop. je retourne encore en octobre. Mhm. Euh, je devais aussi euh, être euh, en France pour le truc de Miss là avec ce qui se passait et malheureusement euh, le voyage est annulé. Je serai récemment, je serai bientôt, Inch'Allah, de l'autre côté du Bénin pour un festival. Euh, il y a mon prochain spectacle qui arrive qui s'appelle Dans la peau des femmes. Dans la peau des femmes, ok. Oui, oui, qui sera, Inch'Allah, au Palais de Congrès de Niamey. Ça sera probablement en janvier, début janvier, Inch'Allah. Donc, euh, c'est ça. Merci infiniment, El Pololoco. Euh, d'avoir euh, non seulement répondu présent à notre invitation et d'avoir aussi et surtout hein, répondu à toutes nos différentes questions. Nous te souhaitons bon vent dans ta carrière d'humoriste et excellente journée à vous. Merci, euh, merci, ma, manti artiste nos comédienne. <laughs> Le Niger sur Kalangu s'est poursuit, mais cette fois-ci avec notre rubrique hebdomadaire éducation numérique. Et aujourd'hui, nous allons parler du procès de Google. Et c'est avec euh, Ousmane Mahmoudou, chef division numérique du studio Kalangou. Alors, bonjour Ousmane. Bonjour. Alors, peux-tu nous donner euh, un aperçu de cette euh, affaire alors oui, bien sûr. Donc Google est actuellement devant la justice américaine dans un procès qui pourrait remettre en question sa domination sur le marché. Donc la société est accusée d'avoir promu son moteur de recherche en versant des milliards aux fabricants de téléphones et navigateurs web, ce qui est considéré par certains comme une concurrence déloyale. C'est effectivement une affaire majeure, hein. mais de quoi est précisément accusé Google Alors Google est accusé d'avoir passé des accords commerciaux de plusieurs milliards euh, de dollars américains avec des fabricants de smartphones tels que Apple euh, et Samsung, ainsi qu'avec des navigateurs euh, web comme Mozilla. Firefox, donc, que tout le monde utilise, en tout cas que, que beaucoup de personnes utilisent. Mhm. Donc, ces contrats ont notamment permis à la société d'affirmer sa position de leader sur le marché des, des, moteurs de recherche, où elle détient désormais une part de marché estimée à 90% aux États-Unis. Et donc, selon le gouvernement américain, ces accords ont réduit le choix des consommateurs et entravé l'innovation. C'est vraiment le modèle économique même de Google qui est ébranlé, puisque Google est d'abord une entreprise qui fonctionne grâce à la publicité. Alors, euh, quelle est la défense de, Google face à ces accusations Alors, évidemment, Google refute euh, fermement ces allégations. Selon eux, ces accords deviennent, euh, et je cite, de la concurrence légitime et non pas et, donc n'ont pas empêché la concurrence. Ils soutiennent que les fabricants de navigateurs ont choisi leur moteur de recherche pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs. Donc, en résumé, euh, ils soutiennent qu'il est plus pratique d'avoir accès à Google qu'à d'autres moteurs de recherche parce que c'est tout simplement le moteur de recherche le plus puissant selon eux. C'est un argument intéressant. Et que dit la loi américaine à ce sujet Alors, les accords d'exclusivité peuvent être considérés comme euh, contraires à la loi mhm. antitrust lorsque les entreprises qui les euh, concluent entravent la concurrence. Donc dans, ce cas-là, c'est au ministère de la Justice de prouver que mhm. les accords de Google euh, ennuient à la concurrence. Et, quelles pourraient être les conséquences pour Google s'il perd euh, ces procès alors si Google perd ce procès, les États-Unis euh, n'ont pas prévu de réclamer de sanctions financières, mais plutôt une interdiction des pratiques anticoncurrentielles présumées euh, de Google. Donc cela pourrait avoir des conséquences commerciales majeures pour l'entreprise, y compris donc euh, la possibilité d'un démantèlement. Donc Google peut aujourd'hui risquer d'être démantelé. Donc plus largement, cette affaire est considérée comme l'un des l'une des, plus, des plus importants défis au pouvoir euh, des géants de la technologie depuis l'affaire Microsoft en 98, si, si vous avez suivi. Donc, lorsque le ministère de la Justice avait mhm. poursuivi Microsoft pour abus de position dominante sur le marché des ordinateurs personnels. C'est une affaire à suivre de près. Merci Ousmana pour ces éclaircissements. Nous continuerons à suivre cette affaire et à vous tenir informés des derniers développements. Donc, tout à fait, oui. Restez à l'écoute euh, pour plus d'infos. Donc, on suit l'affaire de près et évidemment, on vous tiendra compte des conclusions. Merci euh, à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. <clears throat> Faisons un autre tour musical avec ce titre Algeta de Féchetim Ganga. un hommage à l'homme qui a vraiment marqué l'Algeta Chetim Ganga de Menasarwa. Voilà, cher auditeur. Euh, à l'instant, c'était bien euh, Al Gaita de fait Al-Haji Shatima Ganga que vous venez d'écouter. Euh, c'est un cocktail hein, de sons et de tambours qui font bouger. Shatima Ganga était le plus grand joueur hein, dal Gaita au Niger. Il était aussi le plus célèbre musicien du manga. Actuellement, c'est son fils qui assure la relève de ce métier qui, lui, a été légué par son père. Voilà, cher auditeur. Mariam, cette fois-ci, on va en reportage de région. Tout à fait, c'est nous. L'écho des régions d'aujourd'hui reste à Difa pour parler des ennemis de culture. Exactement, ces derniers temps, à Difa, les rizières subissent des attaques d'ennemis de culture. Les, riziculteurs, voilà, se plaignent des oiseaux granivores qui ne sont pas sans conséquences sur leur production. Le reportage de Gidi Abdraman. Cela fait deux semaines que les riziculteurs font face à l'invasion des oiseaux granivores. Bragordo, un riziculteur, explique ce qu'ils font pour sauver leurs rizières. in ba haka ba yiwa tsuntsaye ba za su bari ba amma kuma sa'a inda muke da sa'a dai inda muka samu afuwa da safe in ka tahi duk koko da suke ba sa wuce awa uku in rana ya fita za su taye su kuma da marce kamar sazar yayi kamar karfe hudu wannan in yayi kuma za su dawo kuma sai mun yi sallan magarba kuma a can tukun za mu tai haka nan yanzu in kai haka za ka iya kare shinkafanka amma in dai baka yi haka ba in za ka gona kai dewa wanda sun ɗauke akwai dewa wanda babu empty ne babu komai kawai da dai ka zauna a gida to kar kai tsammanin kana da shinkafa. Selon Jalo malan Ari, President din Association des agriculteurs, des milliers d'oiseaux débarquent dans leurs champs. Alors d'où viennent ces oiseaux mu dai a nan yadda muke gani a kudu suke zuwa kudu kuma daga kudu da mu nigeria ne a ina suke hutowa amma da mu suna zo ma daga cikin nigeria suke zo mana to ba mu san targuri kaza ba kuma mutane manoma wanda suke kusa da kudu mun tambaye su su ma sun ce daga kudu maso yamma suke zo suna gani suke zuwa a yanzu dai ba mu san ba mu san ga inda suke ba Les autorités sont à pied d'œuvre pour euh, enrayer cette euh, invasion. Haruna Sabi du service de la protection des végétaux donne des détails. Donc, à ɗauka abinci suna ci abinci shine muke cewa ga turanci zan da shi don shine muka ce to bari mu zo tun da deja sun fara aikin mu zo a yi tare da mu mu ga abin da an kai eh mu yi shi tare mu daidaita shi tare eh don kuwa tsatsin hun ga ana yi ba wani abu ne eh shinkafa ce ga ba su suke ba wadda ake ce mari fadi ga turanci ita ce muke hada da magani na kashin tsuntsu magani na kashin tsuntsu eh paske magani iri iri ne kowane kwaro irin maganin shi maganin kashin tsuntsu muna kwatamcen kama buhu na kilo 60 zuwa 70 mu sa mai litir litir biyar na magani a garwaya shi da kyau shi shine muke watsa musu inda suke zuwa suna cin shinkafa wadda ba ta fazo in sun zo kenan suna tsammanin abincin ya karu ne da haka muke tsammanin yalla in sun kaci magani in sun kaci shinkafa na mai fazo yalla za su ta ce suke kwana su mutu Cela fait 4 ans que les riziculteurs pratiquent leur culture de contre-saison pour remplacer les pertes subies lors des inondations. Ces invasions jettent euh, des doutes dans leur esprit. Comment se nourrir si cela continue Il faut espérer que les mesures prises par les autorités mettront fin à cette euh, catastrophe. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Studio Kalambo. Place à présent à notre portrait du jour. Mariam, tu nous présentes qui nous, il s'appelle Soumana Amadou. Il est né à Karigourou, dans le 5e arrondissement de Niamey, âgé de 53 ans, chauffeur-conducteur de gros engins dans une société. Il a commencé ses métiers en 2013. Il arrive à joindre le debout aujourd'hui. Soumana, grâce à son espérance qu'il a acquise, et sollicité partout dans des sociétés de butinage à des routes. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre pour son portrait gollal mi chauffeur noon kamjum anasara mbiyata conducteur chargeur o miɗo waɗa chargé camioji miɗo ñamna machine concossage miɗo ñamna machine central béton o miɗo ñamna central robet du fou miɗen godi ɗum les chantier amin ɗo ousmane nde puɗɗoɗa gollal ngal bon gollal sino aɓe ngal fuɗɗana ngal 6 juillet 2013 kam puɗɗum miɗo miila mi waɗan duuɓi sappo hannde gaɗa chinoaɓe e wattima awƴolo iri loore ko wiyete chargeur ko ƴowa tasiri no looda loreji to wallahi mi jooɗaki noon ha satom ginanɗan 2005 ngaɗumi hitande gollal satom ngal ɗon ngal dari sakitoy kadi satom warti 2012 nde laawol won waɗi ñaame namaro fariyey ɗon ɗum gollumi hitande ɗum ɗon waati jonka e jooɗimi 2013 yehi waroyi nden sinoaɓe ngari ɗo garmi ɗon mais wakkati ɓe aduno kam ɓe aday kam en tant que conducteur conducte on kadi chantier maɓɓe ɗo ni ekkitimi ɗum mbawmi ɗum o ko garmi ɗum fuu mi war noon pilimi en tant que chauffeur ɓe mbiya ɓe koyta chauffeur so miɗo yiiɗi manoeuvre ni mi natam golla mbi miɗo yiiɗi comme wakkati mum wala miɗo waɗa bafuy no ɓuuri jonde ɓolde hadde wuuro am no nafa kam sanne mbi miɗo yiɗi noon ni noon fa jon kam ɓe addoy kam chauffeur sakiti ekkitimi ɗo en zem mbawuni puɗɗuɗo e, ekkitidde kan du allah hinno e yafo ɗum ali moussa gaɗa muɗum gam pratique ɗumani charges o inchallah nafakkaji ɗi hen keɗɗa nder awƴol chargeur o to wallahi awƴol chargeur o min kay nafakka kuke muhimu no heewi gam min e faami am fuu ley majjum e mbuuri ko ñammami e ko jaranmi e ko sukaaɓe am e koltal muɗum en fuu ɗonno wala fuu miɗa waɗa gollal gon sihana kanjum ley majjum ni gonmi mouradou am fuu an kay ni de kanjum iri saɗormaji ɗi e hen bo heɓde hebde nder awƴol ma chargeur ngol bon no woodi andi ley gollal fuu a heppata saɗorma seɗɗa ndegon no welan ndegon du no saɗan sanne fa ɓernde ma metta par ce que nde woodi lokkati gon saɗɗorma wari fa ngaɗumi abandonné mburtimi ɗo jooɗoymi lebbi nayyi après ɓe jeeƴi ɓe nodditi kam o ɗum ɗo en fuu neɗɗo no heɓa aɗa gollida himɓe fof ko waɗi fuu saɗorma no waɗan seɗɗa ka on jiwodiran layfiji seeɗa o to usmana noddangal ngal gaɗanta sukaɓe ummatore na nimɓe saabu no woodi suɓotoɓe golle mbiya gollal ngal ni e na noyi ko kalanami ummatore meɗen woni neɗɗo fuu yi gollal no ngal famɗiri fuu si a wala gollal gon ko ɓuri ngal fuu naato allah ta andi to moƴƴere ƴuwata gollal no wayi fuu no famɗiri fuu no ɓuri jonde ɓolde o si a yii gollal no ngal famɗiri fuu to keɓata seɗɗa ko jaara ley faami maɗa fuu naatu fande allah waddude ko mawni ɗum o andi hunde fuu seɗɗa seɗɗa ni fuɗɗirta o ɗum kadi ɗum kollami ummatore neɗɗo fuu to yaw gollal gollal fuu ngal jiiɗa aɗa wawa ɗum C'était le portrait du jour. Dernier tour musical avec le titre Courage de l'artiste Mystical en featuring avec Salam. On écoute. Music. I am weak. Ah, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Courage de l'artiste Mystical en featuring avec Salam. Faisons place maintenant aux femmes du studio Kalangu pour le loti qui nous parle de la propriété, n'est-ce pas eh oui, nous, la propriété est primordiale dans la vie de l'être humain. Son contraire peut entraîner des maladies et des complications d'ordre sanitaire. C'est ce sujet qu'évoque les loti du jour. On écoute cette conversation entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. Cocococ, voisine. Bonjour. voisine, bienvenue voisine. Comment vas-tu Cela fait un bout de temps que je ne t'ai pas vue dans ces parages. Effectivement, j'étais un peu occupée par mon boulot. Mais dis donc toi là, à chaque fois que je viens ici, je te trouve en train de faire ta lessive. Si ce ne sont pas des draps, ce sont des serviettes ou des rideaux. Tu n'as rien d'autre à faire que ça Mais j'entretiens ma maison, c'est tout. Et tu sais que j'aime le propre. Qui n'aime pas le propre Pas toi apparemment. Bref, je voulais juste que tu saches que c'est important de laver son linge fréquemment. Hey, épargne-moi tes histoires là. Tu regardes trop la télé, ma chère. Moi, je fais ma lessive tous les deux mois. Vêtements, serviettes, draps, tout, tout, tout quoi. Et il faut dans deux mois encore. <laughs> Et tu t'es dit coquette. Hmm. Laisse-moi te dire, voisine. Nous vivons en ville et il y a trop de poussière avec plein de particules, jusqu'à dans nos maisons. Et ces poussières peuvent être nuisibles pour notre santé. Mais que veux-tu que je fasse Laver tous les jours mon linge, comme quelqu'un qui a la diarrhée ou qui fait pipi au lit. Je n'ai ni la force ni le temps pour ça, vraiment. C'est pour cela que, si tu as constaté, tous mes draps sont de couleur chaude rouge, violet, orange. On ne voit rien, même s'ils sont sales. <laughs> Kazama, tu veux tromper qui Écoute, les particules de poussière s'accumulent très rapidement et polluent nos maisons. Et attendre trop longtemps avant changer notre linge peut favoriser la prolifération des acariens qui peut provoquer des problèmes respiratoires, voire même des allergies. Allergies Mais c'est sérieux ce que tu me dis là Bien sûr. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de laver nos draps tous les 7 à 10 jours parce que les draps et les têtes d'oreiller accumulent des particules de sueur, autres sécrétions de la peau et des tas de cellules mortes. C'est logique en plus ce que tu dis, mais je n'ai jamais pensé à cela. Attends, ce n'est pas fini. Tout ce que je viens de te citer vous causer des irritations ou favoriser l'apparition d'acné sur ton visage. Mais c'est peut-être ce qui est à la base de mes boutons-là. Ah, c'est toi qui connais les niveaux de salissure de ton linge. En faisant la lessive, n'oublie pas tes serviettes. Il faut les laver au moins une fois par semaine. Gassa, toi là vraiment. Je n'ai pas fini encore. Tes rideaux noirs, noirs façon là, qui sont devenus je ne sais quelle couleur, pense à les changer. Deux ou trois fois par an suffit. Voilà, c'est mieux comme ça. Fainéante, va. Donc toi-même, tu reconnais que tu ne fais pas d'efforts pour rendre ta maison propre. Tu veux dire que je suis sale En tout cas, tu n'es pas plus propre et coquette que moi. <laughs> si seulement je pouvais te regarder à travers un microscope. Ne te moque pas de moi hein. et surtout ne va rien raconter à mes belles-sœurs là. Je vais suivre tes conseils dès ce week-end. Ah, là tu as intérêt, hein Voilà, c'était le loti du desk femme du studio Kalangou. Suivons maintenant Soumana Amadou pour la culture linguistique. Et le mot du jour est embargo. Bonjour, Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Effectivement, embargo est un terme qui peut être euh, employé pour désigner plusieurs situations, mesures administratives et militaires visant à empêcher la libre circulation d'une marchandise ou d'un objet. Il consiste à restreindre ou à empêcher certaines exportations ou exportations d'un État. Aujourd'hui, le Niger est sous embargo économique de la CDAO et de l'IMOA, donc imposé suite aux événements du 26 juillet 2023. Cela a engendré des blocages de plusieurs marchandises et d'autres produits en provenance de certains États membres comme le Bénin ou encore le Nigeria, alors que le Niger n'arrive pas à exporter vers ces pays-là aussi. D'autres pays et institutions occidentaux ont soutenu cette démarche sous-régionale. Alors donc, embargo, on va en fulfulder, si vous le permettez bien. Bien sûr. Voilà. Denis am embargo. Kanyuwoni ko mbawɗa wiide fulfulde ŋaŋol leydi se wattanama ŋaŋol kañum woni haala ka firtode mum ɗum wonno hoƴude laawol laamu na hoƴugol laawol sogeji haɗude kulle lumtorɗe na kulle goɗɗe hen yahenede na yarede to hani yarede fuu en daari fa hande hen eɗum wawi ɗum ɓuyta jahangal ngal endan nadu kondat ɗum haɗa fey jahangal ngal kam woni adde hunde e leydi ndi ɗo yaara leydi gon naadu konda itta e leydi gondi wadda e leydi laatiɗi wattanama gagol ndi enda hande e ñalawma ñalluɗo o leydi niger no woodi gagol ko wattana dow fi arsuku ɗum ndu kondam fedde leyɗe jadiyankoje gonɗe banggue hirnague afrique sédiawo kañum e fedde leyɗe jadiyankoje gonɗe banggue hirnague kawɗe ceede goto kañum woni ko wattiɗe niger sey leyɗe goɗon tokki lawol majjum hono benin kañum nigéria ni enɗan haɗi kullantareje ƴooje e leyɗe enɗan ngar naata e leydi ndi enɗan e ley balɗe ɗe fuu jagal majju ndu leydi niger e hoore mum wawata adde are muɗum lumtorɗe na kullantareje goɗɗe yarde leyɗe enɗan ɗum wonno gagol ngol enɗan sabili muɗum hunde ndu konna ni ko laati fawar joni leyɗe goɗɗe kañum e pelle goɗɗe jiyaɗe leyɗe tubakoɓe kayen ndu konnan tokki laawol ngol cda kañum e wawa waɗigol endam gam batte wattude gagol ngol endam e nder niger Merci Soumana pour euh, ces éclaircissements. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, ou en Fulfulde, n'hésitez pas de nous laisser un mot au 82 89 89 64. J'ai bien dit les 82 89 89 64. Sinon, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. D'accord. sunana Mohamedou ibrahim gaskiya kalangu tana kayatar da mu Dan ganin muna ji shirye-shirye da dama wanda ya shafi al'amuran ƙasashenmu da nahiyoyinmu gaba ɗaya da yankunanmu abubuwa na wayar da kai bangaren kiwon lahiya da harkan tsaro da sauran labarai wanda ya shafi kasashen mu da yankunanmu gaskiya abin yana kayatar da mu mutuka domin muna jin gaskiyar bayani a studio kalangu abin da zan cewa yan uwana matasa shine zaman lahiya abu ne wanda take da muhimmanci a mu. komi in kaga kasa ta ci gaba sai da zaman lafiya zaman lafiyar nan shine mu matasa za mu tashi mu neme ta ba tare da wani tashin hankali ba ba tare da komi ba mu ne za mu kawo kanmu zaman lafiya domin duk yanda kaga zaman lahiya ta daure yan uwa matasa su ne suke kawo ta dan dan uwa matasa ya nemi aikin shi na yi yayi gungiyan shi wanda zai wayar da kan yan uwan shi matasa zaman lahiya matasa mu ne muke kawa kamar yadda tashin hankali ma yana fitowa ne daga cikin mu matasa haka zaman lahiya tana zuwa ne a cikin mu matasa gaskiya zan cewa malaman mu na musulunci su tashi su kama mana da addu'a mu yan gari da malaman su ma su tashi su kama mana da addu'a domin Allah ya gwada mana abu mafi alheri dan ya zamanto shine mafi alheri a gare mu a halin da muke ciki a yanzu to fata na da kristoci da musulmi musulmai dai mu yan uwan juna ne mu haɗa kanmu guri guda ɗaya mu ceci mu domin mu taimaka taimakawa mu da mu radio kalangu ta zama ita ce take haskaka mutane da ya ganar da mutane ga ilimi abubuwa da wani sauraron wani abubuwa da mutane su gane a ƙasar nan. sosai a nan bangare tana da kokari mun yaba mata kuma insha Allah kuma mu dai duk yadda goyon bayan da take so mu muna iya bata radio kalango game da ko sauran kasa ko zaman jama'a cikin zaman lafiya cikin al'umma zaman lafiya tana da daɗi a baya mun yi zaman lafiya sosai yanzu ne abin an gane kasan tana cikin wani damu ba mu sani ba dukkan mu haka daga bayani abin ya zonto kasan kana haka cikin haka haka da kowa ya gane da ana so a gane inci ne ake to a kama tara hankali ba shi bane zai kawo incin kai komi da hankali in hankali ya ɓace hankali ne ke nemo shi nan yi hakuri da ilimi da abu an yi hakuri komi yana wucewa wani kasashen ma yawa da hawalu suka sha wannan abun suka nemi incin kansu yanzu suna zaune a lafiya lau abin da nake so mu Nous sommes à la fin de notre émission Les Niger Sud Karangou. Vous étiez en compagnie de Hussein Seno et moi-même Mariam Adé. Le rendez-vous est pris demain pour un nouveau numéro. La technique était assurée par Amina Hassan et Fanta Shamsou à l'édition. Sur ce, ciao ciao.